alors toujours à l'université c'est Anta Diop de Dakar comme vous le savez nous ici, à fin de zone pour l'université, en tout cas nous sommes avec une zone pétri de talent comme vous le savez le meilleur animateur euh, de l'animation sénégalaise mais en même temps le meilleur présentateur le meilleur présentateur de l'animation sénégalaise l'homme se nomme tout simplement qu'est-ce que tu ko présenter au Sénégal mon ami mais mon ami maa lay ça c'est coup mais li nga wax ci sama présentation yëpp na de dama ci dara gars yi xaw dara da xawma dara en tout cas mang ni bu baax baax mbok internet bu Dental TV di am mbégte ak contentement ki sama xarit la c'est mon frère man ak mom on s'aime naturellement ndeysaan muy DJ Akoub muy le meilleur présentateur TV du Sénégal ah, en fait mon ami ça fait plaisir ñu fekk la fi mbolam yépp taxaw ñu né DJ Khos moom moo war présenter comme pap comme toujours DJ Khos kan nga commencé di présenter fi ci ICAR ci fan zone Wow, tu es content ak bu étudiants comme d'habitude parce que toujours. Mhm. Euh, première expérience à l'université c'était en 2019 quoi suis fan zone 2019 suis Cannes 2019 donc tu suis présenté euh, donc fan zone université alors dama rek gis nous pourquoi pas animateur non non micro étudiants après gars ma quoi et chaque match il m'appelait donc tu commencé une présentation fan zone université me bi dit il tamit a def na de 2022 bi kan bi ma contrat avec SD consulting et RTS donc fa laa un monument je suis de retour encore à nouveau du monde université Cheikh alors alors ça fait quoi Didier Khos nga étudiant étudiant euh, euh, euh, en tant qu'étudiant en même temps fierté plaisir incommensurable parce que c'est le talent d'ailleurs. Hein. comme ni mal talent rek très voilà talent bi donc si tu pas le talent les gens duñu am ci mais talent bi nga am tamit ak euh, savoir faire bi ak gëm-gëm bi tamit parce que étudiant la hmm. étudiant dañuy dañuy dañuy bëgg nga ne leen étudiant la sen mbok étudiant ñëw di gérer yenn yi donc ça les ça les ça les fait énormément plaisir motax tay ma dikkaat fi quoi alors rek la alors nan nga gissé euh, Sénégal 2022 nan nga gissé sélection bi nga xamné ne c'est def nako ñu démali coupe du monde euh, Qatar 2022 waaw plaisir ak contentement bu baaxa baaxa baax comme ni ma la rek équipe mérite de on a l'absence de Sadio Mané mais amna yenen un gars yi fi quoi malgré que Sadio Mané venu, fi mais amna yenen ñu fi donc on va essayer de de de faire le maximum d'efforts plaisir pour pour les Sénégalais nga dégg ñu équipe nationale du Sénégal du monde parce que c'est la plus grande compétition euh, du monde tu vois alors, euh, mhm, mhm, voilà. voilà, donc euh, cette compétition-là se regrouper donc étudiant euh, équipe Sénégal Moudemve, mhm. frère franchement. comme vous le savez toujours c'est avec DJ Rose l'international comme je viens de le dire c'est le plus jeune animateur qui fait la différence dans les médias sénégalais non seulement mon animateur mais mais est présenté comme DJ Boubsou. Alors là, la ñu mën a xaar fille. fille, fille, ambiance spectacle ambiance bu bëree bu parce que tu comme la étudiants sont tu vois étudiants sont étudiants en masse mm-hmm. donc xam tay ambiance ak spectacle bu bëre doole la ñuy parce que DJ Xos xam nga seen bu mu nekk yow yaa ma ñu xam waru mëna yom yomb ak ma ñëw sama fief université Cheikh Anta Diop fi nga xamantani fi la défé lépp donc ça fait énormément plaisir alors da ñuy jox score bi rek nak gis naa étudiants bo ba légui 2 0 la wax 2 1 DJ Xos dama bëgg jox score Sénégal man dal 2 0 dal la yaakar ma ñaan yalla ñu dóor 2 0 yu sedd guy man may njëkk var di DJ ci Sénégal inshallah yalla baxna alors merci beaucoup mon frère wa Dental TV c'est un plaisir le plaisir est partagé jaayef comme vous le savez ba légui ñu ngi ci fi nga xamante ne mooy fan zone ñu nekkoon ak DJ Khos le meilleur jeune animateur le meilleur jeune présentateur sans plus tarder mes amis dinaa leen bàyyi tonton Wagan daal di leen woon foule bi nga xam ne mi ngi fi université en même temps si kanam tuuti mu woon leen DJ Khos li mu war a def fii merci à tous et à tous à bientôt c'est DJ Akoum Hein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 27 28 29 et 30 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. 1, 2. Ah, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Non, Alors, merci beaucoup. Merci euh, aux honorables Alors, une produit de la Sorbonne. la suba waa ñëpp xam nañ ko mais ni ngeen ko gisee mu nekk benn nouvel produit. te goût bi cola la. Yes. c'est comme ça, c'est le Sénégal qui joue. Et on essaie de transmettre cette énergie positive. finalement la différence, du début. Le principe des Sénégalais. Ça, c'est à mater et c'est à saluer. Tenez bien. malade. Malade. Il a bien géré le coup. C'est un ballon perdu à magnifique Diallo, les Pays-Bas maintenant la a touché pour les oranges. l'équipe des Pays-Bas a pris le jeu à son compte c'était c'était magnifique Ismaël Assal qui avait enroulé ce ballon c'est le premier déjà de l'équipe euh, des Pays-Bas Edouard Mindi qui donne euh, de la foi et qui chacun euh, qui est cherché par euh, Ake et le ah, ah Ça vous dit ah, en tout cas nous nous alors que c'est un corner c'est un corner pour les pays attention. Hein? il reste 50 secondes à cette rencontre.

yomb na xam comme tous sénégalais euh, comme également patriote du pays euh, ma équipe de football muy Sénégal ma fier nekk sénégalais ñëw di supporter les euh, les lions massivement comme ni ñu koy defee ñoom ñoo ngi Qatar mais ñun ñu Sénégal mais du bàyyi dara mu def. macha allah là ñu toll si mi zéro bi partout noo gisee match bi naka nga ko dundee pour l'instant. dañuy gagné tôt la tard gis parce qu'on a on a une équipe qui est très forte. on ay gaynde du ñu comme euh, le monde l'indique nous sommes les lions de la Teranga te ko les lions de reculer avancer rek les démocrates. toujours à l'université 50 de Dakar comme vous le savez DJ dans Dental TV la télé autrement la télé qui vous informe en temps réel en tout cas nous ngi encore euh, mi-temps euh, mi-temps Nous jot ñu ngi encore université jàkkaarloog étudiants soxna si nañ ça va très bien. ça va très bien soxna si mën euh, Zeyna agent administratif euh, au niveau de l'animation culturelle du COUD. Masha'Allah, ay tang bokk ci agence euh, sommes au euh, Sénégal, Sénégal le premier mi-temps bi le nga leen gisee. la pression est un peu montée parce que tout le monde dit que Sadio manque na mais moi je me dis que Sadio manque parce que les joueurs sont en train de se donner corps et âme pour pouvoir emporter ce match. Et au nga ak bi Sénégal jot a démarré est-ce que tu vois Sénégal dina gagner Pays-Bas. tout à fait man gis na né instant bi ni ñu ngi joxé lépp lu ñu mën fi ci biir match bi pour euh, pouvoir emporter ce match man dal gëm na né ni ñu commencé buñ ko yeggalee mën nañ am euh, gëm-gëm né dinañ mëna emporter match bi inshallah allah. merci beaucoup tey nag comment euh, ma defal interview rek dama lay laaj score bi ñaata la yow score bi ñaata nga joxe. Ah, man pour le moment mën naa joxe 1-0. 1-0 waaw pour le Sénégal. 1 pour le Sénégal. kan moo koy marqué. Euh... <laughs> bah pourquoi pas pourquoi pas Nampalis wala Crépin. kan moo koy manqué jëlal kenn rek. ah man jël naa Crépin kon. Crépin waaw ayca merci beaucoup Seydou. ok merci. ayca merci tontu Wagan toujours à l'université Cheikh Anta de Dakar dañuy dem encore euh, wala kenn koo xam ne dafa ñëw fii si université Cheikh Anta Diop de Dakar daal di laaj ko moom tamit naka la gisee naka la gisee match bi nga xam ne Sénégal contre Pays-Bas la merci beaucoup.

Nathan Ake. Il va sortir ce ballon avec Virgin Van Qui... Deux bons joueurs expérimentés avec un très bon niveau technique. Comme il est venu, il l'a pris Et c'était une belle occasion À la base de Boulaïa, il poste pour poste. On va voir si vous êtes de bons coachs. On va voir si vous êtes de bons coachs. Voilà, allez y c'est le Magnifique. la salle ni de Louga. L'enfant de Louga. Potou bu ngay dem Potou dafa ñuy bayee ay suuf meeg ay xuru meeg ay patan c'est important. les sorties de blessure Cheikhou Kouyaté les de blessure. amiin amiin. yàlla na nga dugal. acca acca acca acca. il reste 6 minutes à jouer. Acha, Acha, Acha, Acha. En attendant que l'on joue le, le, deuxième match euh, mercredi. Non, vendredi. Vendredi plutôt. Voilà. Vendredi. Alors. C'est pas encore fini. Mais on connaît le résultat du match. Les Lions vont perdre par 1 but à 0. Les Lions vont perdre par 1 but à 0. Attention, Memphis Depay. De, Memphis Depay. 2-0. Memphis Depay. La frappe et d'Armendi qui se touche. 2-0 Aïcha, c'est désolant, mais c'est la réalité, c'est la pire réalité. Fin du match, euh, euh, euh Pays-Bas a mené 2 buts à 0 Sénégal. dafa metti en fait. Nous euh, avons encore ak suñu benn soxna si soxna si noo gisee match bi. ah man de match bi gisoon ko ni gaynde yi mais à la fin ils sont relâchés relation. rek moi, am certes c'est désolant mais ce n'est qu'un commencement on garde toujours l'espoir. pour yow vous avez conseil bon en fait euh, comme gars nous revoir technique. Nous ñuy footballé parce que on se voit dafa manquer ay buteur Ñep ñuy jéma a buté dañuy ñuy jéma a dugal dañuy góorgóorlu mais ça ne sont pas ne sont pas des buteurs Et dafa wara changer dugal ay buteurs yo xamantene dinañ dugal et on va aller de l'avant inshallah man j'ai l'espoir. ayca loo yaakaar ci li dess ci coupe du monde bi yaakaar nga ci Sénégal dina mëna a euh, ba ci kanam. ah franchement franchement yaakaar naa ne dinañ jël coupe du monde dañoo wara comprendre ben affaire nak amul combat bu amul jafe-jafe parfois day métti mais avec l'espoir dinañ jëm kanam. découragé ko. non man supporter bu am jom man duma découragé duma découragé damay xam ni. ni la demee rek après ça va changer. ayca merci beaucoup kontaan na yow euh, kontaan naa ci yow loolu ayca wax suñu dem xoli kenen dal di xol réaction sénégalais yi naka lañ gisee li nga xamanteni moy euh, euh, défaite Sénégal ayca toujours à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar Sénégal amna défaite 2-0 sëñ bi nuy nañ la. ñong ngi lay fay sëñ bi. mel ni yow da nga mer da nga découragé bon en tout cas mun na né découragé na mais nak ça va aller quoi. c'est le début du commencement donc on peut dire que ça va aller inshallah quoi. noo gisee match Sénégal bi sans Sadio Mané. bon match Sénégal bi.

parce que nous sommes mais mais système de football. football système bien Aliou football système défensif donc à un certain moment pays ba dañu ñëmé na parce que ëppu ñu doolé ku sétane statistique nous donc football offensivement war nañ quoi voilà. merci beaucoup merci maa ngi leen di toujours à l'université Cheikh Diop de Dakar comme vous le savez Sénégal dañ ko euh, euh, gagné euh, ñu nekk fii nag comme vous le voyez étudiant yi dafa mel ni dañu xaw a découragé ba léegi ñu taxaw ak benn étudiant moo na mi noo def. sant suñu borom rek. mais comment noo gisee match bi. match bi macha allah nu mu nek mu kay man jooy moo ma des pour l'instant quoi parce que fa ma nekk lu may xaaroon lu may xaar. génnuñu ko li ma doon parce que man victoire laa bëggoon wala match nul parce que bëgguma tey ñu jël benn benn bii sam bëgguma ko parce que dama bëgg ñu dolli la Sadio Mané bi nga xamante ne. dafa blessé quoi gis nga est-ce que gis nga absence euh, sentir nga euh, absence su Sadio tey. non loolu boo waxee sentir sans sentir xam nga li nga xamante ne doo ko gis lii gis nañu ko flagrant lii gis nañu ko déjà parce que Sadio Mané daf ñu manqué daf ñu manqué de trop parce que. je ne sais pas quoi dire quoi euh, Alouci Cissé tamit premier premier euh, remplaçant L'ol c'est forcé parce que Cheikh Kouyaté dafa génn blessure la presque mais une classe une sortie de Krépin Diatta dafa naroon dugalee ki nga dans le Sénégal ñu ngi koy xaar mooy Iliman Ndiaye parce que ren kay est waxee Iliman Ndiaye da ngay wax sénégalais yi waouh waaw man l'OL laa gis quoi Sénégal mais Sénégal mën naa am naa confiance dañuy dem deuxième tour kay dañ koy dem. waaw incha am nga yaakaar Sénégal dina euh, amaat leneen. Sénégal les deux. découragé go pour l'instant. pour l'instant du découragé parce que ñu ne découragé on n'est pas sénégalais. Mhm. waaw ñun kay. comme merci. Aïcha merci beaucoup mon ami. merci merci mon ami aussi. Aïta, merci beaucoup. Merci à tous et à tous. Comme vous le savez, c'est DJ Koum qui était à la présentation sur la Dental TV. Tonton Wagan m'a donné zéro linga xamanteni moy cadre, bi. Mom mo donné zéro également linga xamanteni moy eh, caméra bi. Mang koy remercier bu baaxa baaxa baax. Di bëggé képp ko xamné yaangi suivre depuis ce matin jusqu'à présent. Ñu ngi won fi de université Cheikh Anta Diop histoire de vous découvrir étudiants naka lañuy dundé match Sénégal bi. Merci à tous et à tous. En tout cas, euh, je vous donne rendez-vous à très bientôt sur Dental TV. Bu l'en faté abonner, aimer, partager et surtout ngeen like sur la euh, cloche de notification. C'était DJ Koum 725. Merci beaucoup, Tons.